Salut les amis du Patriot Inter, Guy merci encore de la confiance renouvelée, surtout Guy Wayland, abonnez Wayland, like Wayland, surtout débat, Seni, commentaires, ni avis et tout. Aujourd'hui nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal. Télé dañuy équipe nationale du Sénégal équipe nationale du Sénégal bi nga ghana tamit bi nga le sélectionneur national mon mingi bien entendu à la fin de son contrat dans le nouvel contrat bi moi, dernière chance à à c'est ngir Sénégal mon coupe d'Afrique parce qu'après malheureusement si joueurs yi ci bëri ñoom ay trentenaires pour nous jouer waat beneen CAN wala jouer waat coupe du monde dina xaw a jafe mais également vous avez vu récemment defoon naa benn élément ci loolu boo leen ko suivre ngeen dem suivre ko bataille sur la chaîne Patriote Inter ki nga ramené ne moment moom mooy Hervé wax ne moom ambition gagner li nga coupe d'Afrique ak équipe nationale ak équipe nationale bu Sénégal mais derrière il y a un autre Sénégalais boo xam joué l'équipe équipe nationale du Sénégal aujourd'hui il est consultant à Canal Plus aujourd'hui on a cité son nom ci ñi nga xam ñoo a peut-être nañ ne Marseille mënoon na leen jël moom mi nga xam ne mooy Habib Beye nga xam c'était en même temps non ancien joueur de l'équipe nationale du Sénégal nekkoon na capitaine également bu Marseille Habib Beye moom fi mu ne nii passé diplôme entraîneur et tout moom wax na ne bëgg na entraîner ki nga xam ne euh, Olympique de Marseille waaye tamit Sénégal. Bognoko entraîné, ko entraîner ba il a déjà son staff il a tout Néanmoins aujourd'hui mom, il s'inspire de ce que fait le Bayern de Munich il s'inspire également de ce que fait beaucoup Sassuolo mais surtout de ce que fait Pep Guardiola Néanmoins, na moom staff, staff a un consultant vidéo am na léppam am na film am fi am opportunité entraîner te gëm na ne moom bu ko joxe opportunité entraîner am na lu mëna apporter ci football ndax limi analyser may nako ko opportunité équipe bi mo xamné ne jaar na fa def ay stage ak yoy nonu entraîner woon nañ ko ko nee na étape par étape il ne veut pas brûler les étapes la première étape moi fimné ni mu commencé entraîner ñu ngi wax ci Marseille né de Marseille club de cœuram la bëgg nako entraîner il veut entraîner l'Olympique de Marseille mais également parallèlement nee na l'équipe nationale du Sénégal entraîner la sélection nationale serait une fierté c'est comme ça qu'il l'a dit mom nee na entraîner l'équipe nationale du Sénégal min ci bopum mëna ko te gëm na ne am na lu mëna apporter ndax nee na fi football gi ni muy doxee évolution bi muy doxee bu jàngee ci ñi nga xam mooy ancien yi jàng ci ténor yi ci mel ni Pep Guardiola et tout moom benn philosophie de jeu boobu noonu la développé bu dee sax am touche personnelle am bu mu ci indi te jàpp na ne fi football il faut nga am audace il faut nga am également benn gëm-gëm benn gis-gis benn euh, signature personnelle benn identité personnelle boo xam ne moom jàpp na ne identité personnelle am amna lu mu apporter ci li nga xamné moy walum carrière en tant que carrière d'entraîneur donc Habib Bey comme vous le savez il est consultant fi mu au niveau de Canal Plus il fait de bonnes analyses il est un bon consultant c'est woon nañ également les consultants les plus aimés au niveau de la France notamment ci Canal Plus ci le football tay fi ni dougal ci ben étape amna ay diplôme diplôme UEFA la mugul mais yeneen diplôme entraîneur yooyu am ko mën entraîner équipe fi ni ne lay xaar néna amna staff am comme je dit am na lépp loo xam entraîneur am ko mi ngi woy ba tay di jàng mi ngi préparer wu te xamné na président club bi ko ñu ko jox ko di gis mom am ambition philosophie entre avoir une philosophie de jeu également la pratique dafa bien de différence maintenant est-ce que mën na entraîner mën moi je donne ma langue au chat dama koy bàyyi beaucoup. sur le terrain on pourra quand même savoir ce qu'il vaut mais ce qui est sûr c'est que aujourd'hui en tant que consultant en tout cas il fait du bon travail ses analyses n'est pas ngi apprécier ñëpp a ngi gis ne entraîner l'équipe nationale, entraîner club clubs de Marseille et tout, c'est pas du tout facile. Mais Abibéi, comme tous les entraîneurs, il faut aussi bien le moment où confiance les entraîneurs, surtout les entraîneurs noirs, parce que c'est rare que disent les entraîneur noir, veut entraîner ces clubs de haut niveau, disons presque, boy Même France, par exemple, équipe nationale de France, faudrait qu'on des légendes, comment on fait entraîner en tant que noir bëriwul Vieira mo fi nekkoon on l'a remercié Thierry Henry mi ngi fële ne nga xam ne impact Montréal la nekk fi mu ne ñu ngi dem Angleterre benn équipe bu nekk bon bon mousse ki nga xam moo fi tane te africain la il est blanc mooy Zinedine Zidane on ne pas entrer également dans ses appréciations mais comme c'est montré que aujourd'hui on a de très grands joueurs yoo xam ne war nañu mën a tamit entraîner maintenant nañ leen jox seen chance c'est pas seulement en France que ça se passe ça se passe fait pas en Angleterre et partout dans le monde et Habib Bey fait partie de ces graines d'entraîneurs yoo xam ne war nañ leen mën a jox seen opportunité xool la ñuy jar peser leen les leen surtout également quand il parle de l'équipe nationale du Sénégal. Bon, je pense qu'il peut avoir cette chance. Hein. Disney Omar Daf aussi, il fait du bon travail avec Chocho. Euh, la Suisse il n'a pas fait de grand club. Hein. il n'a jamais entraîné ici. Donc, il a les possibilités de pouvoir, bien entendu, avoir toutes ces possibilités et de pouvoir entraîner quand même un club s'il le veut. Maintenant, savoir s'il a le potentiel aussi pour le faire. Donc, là, on va quand même lui laisser le temps de rôle, d'Armom, Mounadef, l'unimel. Mais ABB, en tout cas, il a déclaré sa flamme à l'équipe nationale du Sénégal, mais également à Marseille. Il a envie d'entraîner, que ce serait une fierté, ce serait une possibilité de le voir entraîner un grand club. Il a son staff, il un entraîneur terrain adjoint terrain les les pommes entraîneur préparateur mental ce qui est important le mental alors le préparateur mental euh, peut-être comment spécialiste vidéo les les lay def nee des talks parfois di stimuler ay matchs analyser donc il est prêt à entraîner Habib Bey il veut entraîner le Sénégal on lui souhaite bonne chance on lui souhaite également bonne continuation dans son dans sa carrière d'entraîneur gars yi woy likes di like woy leen di commentaire woy également de dire ses avis et comme je l'ai dit tous les jeudis dorénavant ce sera exclusivement dédié au portrait joxe leen sen avis wax leen ken ngeen bëgg ñu def portrait on le fera et vous allez mieux connaître le joueur dia ngeen jëf liga